depuis la capitale de l'Ader. Fadana Chigabada Hira da Mata Oui, nous sommes dans la région de l'Oignon Rouge, de Galmi, Garin Choukou, Garin Nkasson, Koni, célèbre. Quatre plus grandes villes du Niger, Tawaï au carrefour de deux grands pays d'Afrique au niveau desquels la situation sécuritaire n'est pas vraiment reluisante. Nigeria à Koudou, Mali à Arewa, le 8 mars 2020 aux environs de 21h. Eh, Je suis tombé dessus sur le compte Facebook de la police nationale. gars américain qui Akasachi, Agarim Masalata, le mardi. 27 octobre passé, pour ne citer que cela. On va parler de tout ce qui va pas, toute cette montée de l'insécurité à Tawa. Bien sûr, musique, vous l'avez compris, c'est important dans la fada, on a carrément attaqué avec ça. La rubrique et la chronique de Mr. Olivier. Coucou Olivier, ça va Ouais, ça va bien, Ravi, et toi, comment tu vas On est bien calé ici, hein, ah je te dis, on est très à l'aise. Comme toujours, comme toujours. Ça va On a quoi au menu Eh bien, beaucoup de choses au menu, mais je te laisse en suspense et on se prend à la fin avec une grosse grosse surprise. Ah ouais Super. <laughs> ça, c'est une première, ça. Ah J'ai hâte. À tout de suite. Tranquille. <laughs> To mun zo mu yi hira tare da matasa mu ji tushen wannan tashe tashin hankalin kuma da ra'ayinsu bisa kan wannan tashe tashin hankalin. On en parle aujourd'hui à la FADA installée sur les dunes de la ville de Tawa. Nous sommes avec Idi Barmou, il est civica, mais également artiste-chanteur. Idi, ça va? Ça va. Kanalaya. Ok, sois le bienvenu sur la Fada. Nous sommes avec Tiblaza de New Flow. Tiblaza, ça va Ça va très bien. Yakaki Alhamdulillah. De hein? dama, hein? à quoi Nous hein? sommes avec euh, Mamar Moussa. Mamar, ça va Canada Et Tawa Tawa, ça va, ça va très bien. Ok, Mamar, il est mm. enseignant. Mon coco Mokhtar, ça va Rabi, bonsoir. Yakaki Ouais, Dadama. Kekakartan Mokhtar Moussa. Moussa. Ouais. Nous sommes également avec Mokhtar Moussa. Voilà. Et qui va m'expliquer un peu le coin dans lequel on est là Mokhtar c'est ici que se retrouvent tous les jeunes de Tawa. Apparemment, il y, en a plein qui arrivent. Hein. Ouais, bien que ça reste même, euh, il faut attendre voir à partir de 18h, 19h, voire 20h jusqu'à ah l'aube. Quoi. On a toute la jeunesse de Tawa ici. Ils sont en train de se balader parce que tu viens prendre de l'air ici pour échanger. quoi. En tout cas, on prend de l'air. Retour à la Fada. Le rapport de monotoning de protection de la région de Tawa de février 2020 dit, je cite, La situation sécuritaire dans la région de Tawa, à demeure instable et préoccupante. Ce document cite également 17 incidents de protection qui ont été rapportés à Tchikin Garantilia de cikin watan Fabrairu na 2020. Yanzu tambaya ta ta fari, comment vivez toutes ces crises sécuritaires wannan atakin da ake ji na yau a ce wani an yi kaza hakan ga gobe a ce tile an yi hakan ga ya kuke shin wannan situation kin? Iri? Oui, c'est une situation dont on ne peut pas dire qu'on essaie de vivre dedans. On survit seulement parce qu'on est constamment dans la peur. Souvent, c'est des choses qui se passent tout près de nous. Donc on est souvent dans la peur, il y a des restrictions réellement. Nous comprenons cela comme euh, quelque chose de nécessaire. En muna wakana même temps euh, muna ma restrictions pour la ville de, Tawa exactement souvent moi je suis Touareg par exemple je suis Targi mais je me prive souvent de mettre mon turban pour pouvoir sortir. Donc ça, ah ça restreint aussi, juste pour pouvoir réellement euh, circuler librement. parce que je j'ai sillonné une fois en ville, je suis parti un peu vers les, euh, montagnes que vous voyez de l'autre côté, parce que uh-huh. j'étais en turbané. Euh, il y avait un homme de la sécurité qui m'avait parlé. Il me demandait qu'est-ce que je transportais dans mon sac. Ah oui Alors que c'était juste à côté de la ville. Donc il y a des restrictions aussi qu'on subit à cause de ça. Donc c'est comme ça que nous le ressentons. Voilà. Quelque part. to shi wannan mun shi wannan buzun da ke tare da mu shi rawani nashi ma yanzu ba ya iya sawa yayin yake so saboda wannan tashi-tashi hankalin da ake ya ne ko kuke jin wannan lalle shi al'amarin eh malam bahaushe ce in ka ji saki saki ba a kamo ba inda ta kai inda buzu zai iya aje rawani ne kalan ba eh gaskiya abin ba karami na ba akan ah, zalika shi dai kuma tasussukan hankalin da muke ji kewaye da mu nan a cikin garin tawa eh, gaskiya yanayi ne wanda yana sa cikin mawuyacin hali dami muka ce haka don saboda yau idan ka ji eh, gemin dan uwanka ya kama da wuta an ka ce ka biɗi ruwa ka sama naka gaskiya kenan ruwan da muke jin tashin hankali ta ko ina ana kai farmaki ana kai atak atak in ji bature mm-hmm, mm-hmm. gaskiya wannan yanayi bai yi ba yanayi ne wanda ya kamata a yi allan waddan da shi kuma dukkan waɗanda ke nan ga wannan tabiwo'i ya kamata su aje su bidi aiki na gari su tsaya su kama aiki shine abin da zane hudu ne kun da abin mamara ya ce yanzu kwanakin baya <clears throat> an kai makan biskin kwanni hari a votre avis qu'est-ce qui est à l'origine de cette montée de criminalité tu es artiste, tu es en contact avec les jeunes. Et pas que les jeunes de Ville, quoi, même aux environs. criminalité, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Bon, ni ina iya in kamang kaman hada rishin yi ke ka mm-hmm. iru wannan wani lokaci e, kuma wani wasu lokatuka waɗanda ke zakwa su yi wannan abubuwan mm. kaman mutane ne waɗanda ba kaman 'yan ƙasa ba ne ok eh, suna zauwa ne don su zo su gani in akwai dama su kwaci abun da suka kwata wanda suke cikin laifayi voisin mm. kenan sai su koma da shi okay eh, irin wannan kuma ya kamata a ce an yi renforcer eh, les mesures de sécurité mm. kamata ya a ce cikin ƙasa inda hali iri yadda na ga duk wanda zai shigo in ma bisu ne aka shigo a ce akwai control mai tsanani a wanene wane ne ya shigo mi ya zo kenan a wannan lokaci in ma an ce wani abu ya faru fasilma ana iya gane ko wane ne kuma a wani lokaci ne a ina ne mhm, mhm. Muktar Musa kashi abin da Tiblaza ya ce to yanzu <clears throat> cikin situation kin ya ce a kara ya ce a kara harkan tsaro akwai wasu garuruwa da akwai wasu kamar in ce lokalitakin jihar Gataku da tsaron ma ya yi tsanani ka gane ko akwai 'yan sanda ko ina yaya ne cohabitation kin kuku matasa da su wa'annan 'yan sanda ya ne zaman na kuke tare ko collaboration kin in ce eto eh ni dai ga gani na dai yau in an ce kai dan dan ƙasa ne kana ji ma kasar ka ciwo kaga ana yaki da irin wannan abubuwa ya kamata kai ma in kaga abun da ba na daidai ba kaga abun da baka yarda da shi ba ka maza ka gudu ka gaya ma hukuma don su mm. samu su binciko tun da yau muna zamna cikin juna ne ba a san mutunan kwarai ba ba san mutunan kirki ba tun da yau mutunan kwarai za ki gani kawai don saboda talauci ko ya ishe shi kawai in an zo an kai mobilizan shi kai da kake kwance baka da ma san kimil an kai mobilizan ka an ka baka turuwa san mil sai ka a gaya maka a ga abun da ya kamata kai an tanke dan kasa ga yanda ya kamata ka yi rayuwa ga yanda ya kamata ka yi rayuwa nan amma ba haka nan kake rayuwa ba a yi motiven ka on va te motiver a ce que kai da kanka wani lavage de cerveau ko eh man wani lavage eh. de cerveau za a yi maka da kai da kanka ne zaka ga wallahi magana ga da suke nan gai gaskiya ce tunda in ka ga mutum yana kashin kuɗi kai da kanka na so ka kashe mana ya gaya maka hanyar da ya biya samo su kai ma dole hanyar nan zaka bi dan ka ceto in dan ka ceco kanka kwa amma yana kira ga 'yan ƙasa in dai an ka ga abun da ba na daidai ne ba in ka ga abun da baka yarda da shi ba ka maza akwai le numero da aka bada hmm. in kai kira su kuma suna zuwa da sauri su bincika su gani ina da lamba ga mana muje ina da lamba police 17 ina da 18 na safiyar akwai sunu kuma okay eh mana duka in kan gaya musu in baka baka samu wanga ba in kai kiran wanga dai automatiquement yana kiran ceux qui sont concernés mhm, mhm. abun ga su zo su intervenir kwa rapidement ouais ouais to kun ji abinda Moktar Musa yace n'hésitez pas vraiment genre selon toi les jeunes sont censés collaborer avec les forces de l'ordre pour vraiment mettre fin à tout ce qu'on connaît comme montée de criminalité. Sur ces mots, on va aller euh, faire un coucou à Dondi avec sa rubrique Mji. Cette fois-ci, avec quel artiste il sera Et on se retrouve juste après. Nigériens, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey. Ladies and gentlemen, nous vous souhaitons la bienvenue. La bienvenue sur votre rubrique L'artiste s'exprime. Une rubrique consacrée aux artistes nigériens. Aujourd'hui, nous allons on va se rendre dans la capitale de l'ADER, la capitale Tawa. Tawalele Birni Ader. C'est le Niger qui va rapper aujourd'hui, c'est le Niger qui va chanter aujourd'hui, puisque le rap, le chant, la musique urbaine, c'est pas que c'est tout le Niger. Alors dans quelques fractions de secondes, en ligne, nous allons joindre un artiste pétri un artiste issu de la formation Nuflo, Wakana Massiva. Aujourd'hui, nous sommes en ligne sur l'émission Tous à la Fada, à la rubrique L'artiste s'exprime avec Tiblaza de la formation Nuflo. Tiblaza, la formation Niflo, Nuflo, comment tu vas Je vais très bien, Mr. Dondi, et vous Ouais, ouais, je vais très bien. Tout se passe bien, j'espère bien. Tawa se à merveille. Voilà, Itawa, ça va, Alhamdulillah, on remercie les Tout-Puissants, le bon Dieu. Dieu merci, alors, Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, sur cette rubrique, nous allons parler de la formation Nuflo. Vous allez d'abord nous expliquer un peu le concept Nuflo. Qu'est-ce que vous entendez par Nuflo Yeah, Mr. Dondi. Par Nuflo, on entend, on entend une nouvelle façon de voir la musique nigérienne. Okay. C'est pour le rap donc c'est à cela qu'on a songé parce que nous on est venu avec notre nouveau feeling. Et donc euh, pourquoi ne pas essayer de, titrer la formation de donner à la formation le nom Miflo Masiba. Et là ça veut dire que si on s'engage, pas question de reculer. On doit aller jusqu'au bout. On doit chanter les réalités, nos réalités. Et la formation de demeure toujours le talent incroyable et demeure trois éléments. Bien sûr. Alors c'est de ces trois éléments que nous allons parler sur cette émission. Le groupe est constitué déjà de Tiblaza qui nous avons en ligne aujourd'hui avec nous. Alors parle-moi un peu des deux autres, s'il te plaît Tiblaza. Oui, il y a aussi Europe Meboulala. Europe Meboulala. Oui les toasters. bien sûr, bien sûr. il y a RNB Alors aujourd'hui, c'est ces trois éléments que nous allons décortiquer sur cette émission dans ce premier angle. Il faut dire par là euh, que Tiblaza, il a quand même un nom. Le nom à l'état civil de l'artiste, est-ce qu'on peut l'avoir sur cette émission et, et mon vrai nom Bien sûr, Tiblaza, ton vrai nom à l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle Tiblaza C'est important euh, pour permettre à, nos amis jeunes de te découvrir sur cette émission par ton vrai nom. Effectivement. Mon vrai nom, c'est Abdul Nasser. Abdul Nasser. Justement. Et la suite, c'est La suite est Yacouba. Abdul Nasser Yacouba. Abdul Nasser Yacouba. Il est né en quelle année il est né en 1990. 1990. Jour pour jour, l'artiste a 20... à 30 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Super. Alors, est-ce que tu peux déjà me parler un peu aussi d'Europe Meboulala, son vrai nom à l'état civil et du vrai nom aussi, euh, bien évidemment, de Aaron Bizanché, Parce que je sais que vous êtes ensemble, vous êtes ensemble, tu as leur nom en principe sur cette émission, on a besoin de ça. Bien sûr, bien sûr, oui, <laughs> Super. Le, vrai nom d'Europe de Meboulala, c'est Baba Traoré. Baba Traoré. Et Aran Bizanché on l'appelle euh, Abdul Moumouni Amissou, super. Alors c'est de ces trois éléments qui constituent la formation NUFLO que nous allons parler. Alors est-ce que tu peux déjà me donner une idée de l'année à laquelle vous vous êtes rencontrés Oui, bon, je peux dire 2014. 2014 Oui. Vous êtes rencontrés en 2014 En 2014 avant même la musique, on, est des frères. Donc, euh, moi, je suis quitté Tawa pour aller à Agadez. Après le bac, je suis des retour. Je les ai trouvés, eux deux, en train de bosser. Donc, ils m'ont dit, bon, pourquoi ne pas constituer ce groupe à trois, histoire de, de donner trois styles différents. Chacun amène son style. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc vous vous êtes rencontrés en 2014. Tu n'étais pas là, ensuite vous avez constitué le groupe. Alors est-ce qu'on peut déjà avoir le parcours en question de la formation Nuflo de 2014 à aujourd'hui Oui, Quand est-ce que vous avez fait sortir le premier single Le premier single c'était en 2015 et le single sur rendez-vous, le titre, c'était avec euh, Wolf Music Flow. Le premier titre rendez-vous avec Flo. Oui, studio Flo. Super. Alors, c'était le premier angle. Amis jeunes. C'était le premier angle. Euh, le, premier angle avec vous. Ok, d'accord. Le premier single et moi sur cette émission. Le premier angle. Alors, dans un, dans un instant, on va se prendre, ok, d'accord, Niflo, pour parler, bien évidemment, de vos projets, de vos albums. Dans un deuxième angle de la rubrique, l'artiste s'exprime. Là, nous étions donc sur l'émission franco-aoussa. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de rester avec nous, de ne zapper surtout pas. La suite de l'émission tout, la suite de l'émission Tous à la Fada, c'est tout de suite maintenant avec la Miss Rim. Hey. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes sur les dunes de la ville d'Ottawa, le coin chouchou des jeunes. Yo, here, da eh, tatawa hirar shi muke nan gai tare da matasa mu shi dai yaya ne wannan abun wanda irin gudunmuwa ne matasa suke iya kawowa don a zo karshen wannan wannan ciwon wannan tashin hankalin les jeunes de la guerre face à l'insécurité comment y faire face c'est le thème de la fada de ce soir nous allons poursuivre euh émission. Mais avant cela, je vous rappelle avec qui nous sommes. Nous sommes avec Idi Barmou. Lui, il est civicar et artiste, chanteur, c'est ça, non Je me trompe pas, hein. je t'ai entendu chanter. <laughs> compositeur. Ah, oh là là, auteur-compositeur. Nous sommes avec Mokhtar Moussa. Il est freelance, <laughs> Mokhtar. Il est dans plein de trucs. <laughs> Petit blazer de la formation euh, New Flow, nous sommes avec Mamar. Mamar Moussa, lui, il est enseignant. À votre niveau, qu'avez-vous entrepris des actions pour y faire face On est conscient que c'est un phénomène réellement qui peut tenter beaucoup de jeunes. Voilà pourquoi aussi, dans ce sens-là, uh-huh. en étant engagé à sensibiliser, à vulgariser, à prévenir surtout ces mots, euh, artistiquement, nous partons dans ce sens pour faire cet appel-là aux jeunes, de militer vers la paix, d'appeler vers la collaboration surtout des citoyens, de collaborer, d'informer qui de droit en cas d'incident, hum, mais hum, hum. Euh, surtout aussi d'être des garde-fous. D'accord, c'est clair. Maman. Mhm. akwai sensibilisation wayar da kai da ake yi bayan haka nan kuma mawaka furujin ne suna nan suna shiga dazuzzuka muna gani hmm. sannan mu kuma da a dazuzzuka hmm. ni wata rana na taba samun mission mix ta taba ta zaka ta iske mu cikin lakwal suna nan suna kewaye cikin ina ne kake a sanya nan ne kake tawa yanzu nan a ba yanzu actual babu ne tawa ina nan wani wata inspection da aka ce ma bambai okay. to na ɗanyo cinta cinta mm. baradan okay. na zaka ni bagaruwa na zaka mm. yanzu bambai ne nake okay. to zancen da nake nan gai lokacin da nake cinta gaskiya uh, jami'an tsaronmu sun zaka kama a mission mixed akwai mm. polisai akwai garda akwai donka gendarmerie mm. suna tare sun zaka binciken lahiya mutane al'umma na Nijar waɗanda a cikin dazuka nan yadda suke rayuwa in yalla insecurity da ake cewa tashi tasun hankula kan ga ba ta ka gare su ba mm. ko kuma yalla suna zaton akwai makamai waɗanda ke hitowa daga misali Libya mm, eh mm. suna in suna shigowa don ku wannan duka ina tsammanin cikin eh, cikin gyara ne ake mm-hmm, ana bada mm-hmm, mm-hmm. vraiment eh, solution na a keɓe a rida ouais. voilà merci ok to a konna wannan annobar ana e ciwo kanta tiblaza ana e ciwo kanta qu'est-ce que vous proposez pour venir à bout de cette criminalité qui prend de l'ampleur qu'est-ce qu'on peut faire ana e vraiment ana e ciwo kanta to tout cas, wanga wata annoba ce wadda vraiment ko ana son a ciwo kanta sai an ɗauki matakai masu ƙarfi. Mm. E eh, mana kenan kamar yadda na kwatanta ɗazu irin wannan ya kamata a ce kamar tsaron da ke cikin ƙasa kuma da mutanen da ke cikin ƙasa lai civil kenan ya zan kowa da kowa yana mai da hankali bisa ga wannan abu e kenan idan aka ga abun da ba a yarda da shi ba da ja iko su jami'an tsaro cewa da jami'an tsaro wannan aikin su ne kenan a lokacin da duka aka taba su su shirye ne suke ga su ba da su bisa ga su ba da nasu gudunmawa bisa ga wannan abun saboda su aikin su ne mm, saboda shi civil yau wani lokaci in ma ya ga wani abu a ce mutum yana ɗauke da makami ko wani bindiga in mutum na da bindiga ba a kusowa gare shi kenan dole in ma eh, na ake cewa jami'an tsaro bala mm. su ne suke da abun da suke iya su kai ga wannan eh,

Conservons l'art car elle constitue le socle d'un développement certain. Mettons à l'écart nos convictions et nos intérêts égoïstes et plaçons en avant l'intérêt du peuple, car ce qui compte, c'est l'intérêt du peuple. Tel est le message de Yazdi, le messager de la vérité, le défenseur des pauvres. Yes, man. Des choses ni vues ni connues de notre passé. prochain et tu vivras heureux. Ainsi qui sème le vent doit récolter la tempête. Donc si tu sèmes le mal, te plains pas lorsqu'il t'embête. Dites-moi qui sont-ils, ceux-là qui veulent mettre notre paix en péril. À la division, ma vision demeure hostile. Même si la vie est loin d'être le fleuve tranquille. Ya ya yo, alright now. Cultivons la charité, aimons-nous en vérité pouvons bien y arriver. Si nous sommes déterminés, on ne peut pas d'inimitié dans notre fraternité. Oh, oh, oh. Ah, Ukare ukame munatashi yankali, kowa ya sa a zuci sau imani Tour à la FADA depuis les dunes de Tawa. On vous envoie plein de bonnes vibes depuis Tawa. Nous sommes avec euh, Tiblaza de Nuflo, Nous sommes avec Mokhtar Moussa, freelance. Il est dans plein de trucs. Idi Barmou, lui, il est civica, également artiste, compositeur Mamar Moussa. Lui, il est enseignant. Aujourd'hui, on parle de la montée de l'insécurité. Les jeunes face à l'insécurité à Tawa, comment y faire face ne wannan matasan suke iya yi wacce irin gudunmawa ta suke kawo cikin yaƙi da wannan tashe-tashen hankalin da ake yi yanzu dai tambaya ta ta ƙarshe da nake da bisa kan wannan fadar ko in ce tambayoyi na biyu ne yanzu a set period électorale Qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir euh, la sécurité à Gananko Au moins avoir des élections apaisées, quoi. Moi, je pense que l'air est à la grande communication. Uh -huh, Vraiment à des mouvements de vulgarisation comme des campagnes de sensibilisation. Au lieu des campagnes politiques, il faut d'abord une campagne réellement de sensibilisation réellement face à cela. Donc je pense que ça va nous être vraiment euh, d'un grand apport pour pouvoir oh. avoir ces élections-là apaisées. Il faudrait vraiment mobiliser pour engager euh, euh, euh appelle ça, nos forces vers la communication, la vulgarisation, la sensibilisation de nos citoyens par rapport réellement à tout ce qu'il peut y avoir comme enjeu, parce que les enjeux existent aujourd'hui. Et il y a de la tension dans l'air. Même en tant que jeune, on peut ressentir cette tension-là qui est dans l'air. Et on en a peur. Pas des élections, mais de la préélection. Mais pour prévenir et euh, être armé face à cette peur-là, il faut sensibiliser vraiment les jeunes, la masse surtout. Vraiment, il faut sensibiliser afin que nous puissions réaliser ces élections-là euh, dans des très bonnes conditions wata irin shawara ko in ce quel message as-tu pour ces jeunes là qui se lancent dans cette mésaventure, je peux le dire. Qu'est-ce que tu peux leur dire oh. eh, wallahi dai muna kira ga kowa dai a zo a zamna a gina ƙasa wani kashe-kashe wani yaƙe-yaƙe ba shi ne na gina ƙasa ba sai dai ya mai da ƙasar ka baya tunda yau ƙasa ba ta yi in babu kwanciyar hankali komi ba a yi in babu kwanciyar hankali kenan kwanciyar hankali shine ya kamata abun da mu mu ya kamata mu ɗoka an kwant mu san da in babu kwanciyar hankali komi kuɗinka komi libertan da gare ka sai ka ga ciye komsi ci an prison ka so kaso kake ba kawai tunda yau in ka huta kana jin halbe halbe kana jin kashe kashe wallahi gobe ba ka huta kenan mutane a zamna a zo a yi kowa ya kama aikin yi a bar wani yaƙe-yaƙe abubuwan gada ba mu san su ba Nijar ba mu san irin waɗanga abubuwa ba kenan mu komo mu maido hankalinmu mu barbari yana wasa da hankalinmu kawai yara yanzu mun girma mu ma muna iya buga gaba mu ce ƙasan mu ce kenan ya kamata mu gina ta to kun shirya abin da Muktar Musa ya ce ƙasan mu ce ya kamata mu gina ta mu nutsu bisa kan nos vrais objectifs en tant que jeune Mamar Musa Oui, oui. Oui, oui. Donc moi, ce que j'ai à dire, mon idée va un peu rejoindre l'idée de mon camarade qui est là, euh, Sanoussi. Donc elle a amené l'idée de la sensibilisation. Moi, moi, je vais aller un peu mhm. vers les leaders politiciens, c'est-à-dire mhm. les différents euh, présidents des partis politiques. Mhm. Donc euh, j'interpelle un peu leur euh, attention envers les, les militants. Parce que si aujourd'hui, dès lors que nous avons un dirigeant qui est, qui est bon, on peut penser que la base aussi suivra. donc, Maintenant, donc maintenant, eux, avant les élections, donc de passer, donc de passer cette sensibilisation-là donc à la base. donc si je pense bien que chaque euh, président des partis, des différents partis politiques, donc une fois le message passé, uh-huh. le message passé, ils vont essayer de le partager entre eux. Et je pense bien que ça sera une solution de prévention. Merci bien. Merci bien. Euh, toujours à contre-coeur. On va mettre une pause sur euh, nos séries de questions. On va accueillir Mr. Oli pour poursuivre, euh, je dirais clôturer cette émission avec lui. Oli, c'est comment ça va ah, ok. Ah, alors. depuis le début, j'ai gardé ma chronique sucrée comme le vôtre. Ouais, j'ai vu, hein. Ah ouais. <laughs> Trop de suspense. je t'écoute. enfin. Olivier, alors. C'est comment Ravi, tu vas bien Ça va, je vais bien. Je vais bien, <laughs> Dieu merci. Super. Ouais, tranquille, comme toujours. Je t'écoute Eh bien, t'as remarqué que j'ai gardé secret le sujet de la fada. Ouais, j'ai vu, ah Olivier, hein, c'est la première fois. Là, Autant de mystère. ouais, c'est comme mon bulletin ah le jour du vote. <laughs> ok, je vois un peu. Bonsoir à tous, amis de la fada et amis auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou. Dans l'histoire de la démocratie, le vote est un indicateur clé. Cependant, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi doit-on garder le vote secret. Dans la chronique de ce soir, nous allons décrypter le secret du vote. Le vote à bulletin secret est une méthode de vote dans laquelle le choix du votant à une élection reste connu que de lui. La personne s'isole dans un isoloir pour choisir et sceller son choix. Voici ce que dit l'article 3 du Code électoral. L'élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à conduire et à gérer les affaires publiques de la nation ou des collectivités territoriales. L'élection s'effectue au suffrage universel, libre, égal, direct ou indirect. Le scrutin est toujours secret. L'enjeu principal est d'assurer que l'électeur exprime un choix profond en empêchant toute tentative d'influence ou d'intimidation. Mais cette méthode de vote à bulletin secret rompt en quelque sorte la traçabilité du bulletin de vote jusqu'au votant, rendant ainsi difficile la vérification des votes en cas de litige. Un exemple concret. Il est presque impossible aux électeurs également de prouver qu'ils ont voté pour le candidat dont ils se réclament militants. Amis auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez compris pourquoi le vote est secret. Une dernière question pour clore cette chronique. Nous allons faire un tour dans le code électoral du Niger. Précisément à l'article 6 qui nous dit qui sont les électeurs au Niger, qui doit voter. On Selon l'article 6 du Code électoral, sont électeurs les Nigériens des deux sexes âgés de 18 ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés conformément au Code civil 3 inscrit sur la liste électorale. Jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévue par la loi. Sont aussi électeurs les étrangers ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ou par naturalisation. Bonne chance aux candidates et candidats pour ces élections à venir qu'elle confirme les acquis démocratiques du Niger. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci Olivier. On va se dire au revoir sur la FADA. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment faire face à toute cette montée de l'insécurité Sunday matasan hankalin a dawo bisa kan gina ƙasa ba ɓata ƙasa ba. To, zan yi ban kwana da ku gobe za ku haɗu tare da ni hallo don di abokin na bayyana. Zan mu yi hira shaye-shayen da matasa suke yi a nan birnin tawa. sai mun kara rabu sukan shirin tusa alafa da kuma ce lambar mu hamsin da hudu ku aiko mana ra'ayinku ne zai ta ba bye bye